Il faut comprendre par enfant ici, tout être âgé de 0 à moins de 18 ans. C'est ce genre de catégorie d'enfants que nous prenons en charge, en tout cas en ce qui concerne l'appui psychosocial, le conseil aux parents, les soins d'urgence alimentaire et sanitaire et le retour en famille. Le deuxième volet, c'est aussi un volet de protection, mais qui est sous la bannière d'un projet dénommé Projet Enfants en mobilité. Eux, ils s'intéressent uniquement aux enfants en situation de mobilité. Des enfants qui quittent toutes les contrées du Niger, de toutes les régions, et même d'autres pays limitrophes en provenance d'Arlit ou de l'intention de continuer sur l'Algérie ou sur la Libye. le plus souvent, arriver à Arlit qui aujourd'hui, il faut le dire, est un carrefour. Souvent, ils font face à des difficultés. Et il y a également ceux qui sont rapatriés de l'Algérie ou de la Libye. Effectivement, cette année de janvier à aujourd'hui, euh, nous avons eu au total 80 enfants, dont 52 garçons et 28 filles. De ces garçons, pour les moins de 6 ans, nous avons eu 6 enfants. Pour les L'intervalle 6-12 ans, nous avons eu 17 enfants. L'intervalle 13-15, nous avons eu 22 enfants. Et supérieur à 15 ans, mais inférieur à 18 ans, nous avons eu 35 enfants.